plus de 29 millions de personnes dans l'ensemble du Sahel en 2022 devraient être confrontées à une insécurité alimentaire grave au cours de la prochaine période de soudure qui devrait commencer plus tôt, soit une hausse de 40% par rapport à l'an dernier, note le rapport. La violence, les déplacements et les crises socio-économiques avec l'épuisement des stocks des agriculteurs et la diminution de l'offre malgré une demande accrue sur les marchés sont les principales causes selon le communiqué du bureau de coordination des affaires humanitaires. Au Niger, d'après le même communiqué, cette situation d'insécurité alimentaire pourrait augmenter le taux des personnes vulnérables de plus de 57%. Pour répondre à ces défis, des plans d'intervention à hauteur de 2,4 milliards de dollars pour 2022 ont été élaborés par les autorités en Afrique de l'Ouest et centrale, plus exactement au Niger, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Nigeria et au Tchad, a indiqué Ocha.